les retraités euh, du Sénégal, qui vient après euh, celle de janvier, où nous avions choisi de discuter directement avec les concernés, c'était une première dans l'histoire de l'institution. Ils étaient plus de 1000 à être là, parce que nous avions estimé qu'il fallait instaurer un dialogue direct avec les de l'institution, avec les allocataires. Ça a été une mesure très appréciée et euh, nous avions promis, euh, après cela, de revenir vers eux pour les mesures d'accompagnement à prendre avant la martialisation. Parce que vous savez, euh, tout le monde a peur de l'inconnu. Je me souviens que quand on prenait la mesure pour aller du trimestre au bimestre, j'ai présidé à l'époque le conseil d'administration. Il y avait eu beaucoup d'appréhension, beaucoup d'interrogations et surtout beaucoup de craintes. Mais comme on leur avait dit, l'objectif était de faire en sorte, par le jeu des augmentations successives chaque année, que l'allocataire puisse finir par gagner en un bimestre ce qu'il touchait en un trimestre. Dieu merci, c'est aujourd'hui le cas quand on fait une évaluation du passage du trimestre au bimestre, tous ceux qui ont aujourd'hui un bimestre ont constaté que c'est équivalent ou supérieur au trimestre qu'ils avaient auparavant. Ceci dit, le monde évolue. Le Sénégal, dans son environnement, est entouré de pays membres de la Cypresse et qui ont instauré la mensualisation. Vous savez, en 1958-1959, quand on crée l'IPRAO, il y avait plusieurs pays qui composaient l'IPRAO. C'était l'Institut de prévoyance de l'Afrique occidentale française. Et tous, quand il y a eu l'IPRES maintenant, après le Sénégal indépendant, tous les pays qui sont partis du fait des indépendances, aujourd'hui ont inséré la mensualisation. Ce qui veut dire que le Sénégal était quand même en retard par rapport à cela il était important de nous mettre à niveau. Vous aviez entendu il y a quelques mois l'annonce qui a été faite par le chef de l'État en Conseil des ministres par rapport à la nécessité d'aller vers cette mensualisation. Cette volonté du chef de l'État est venue rejoindre celle du conseil d'administration de l'institution, qui, comme vous le savez, déjà l'année dernière, avait amorcé un début de mise en œuvre, mais encore une fois, il a fallu euh, suspendre dans un premier temps la mesure, pour que les retraités puissent mieux s'imprégner des effets et des objectifs recherchés. C'est un exercice qu'il fallait faire parce que c'est cela qui est honnête, c'est cela qui est normal. Il est certain que l'objectif visé est aussi la revalorisation des pensions. Donc, parmi les mesures d'accompagnement, l'année dernière, on avait valorisé à hauteur de 10 cette année également, le conseil d'administration prendra une mesure analogue dont le taux sera déterminé par le conseil. Mais il est certain qu'en dehors de cette mesure d'accompagnement, il y a une autre mesure qui consistera à euh, faire une avance sur 30 mois aux retraités pour accompagner la mise en œuvre de la mensualisation. Toutes les régions du Sénégal, sans exception, ont fait des résolutions pour appuyer fortement la mesure et pour marquer leur adhésion totale à cette décision qui a été initiée par le conseil d'administration. La dernière étape, c'était Dakar, où il y a un nombre important de retraités et où effectivement, il fallait lever un certain nombre d'incompréhensions. Parce qu'il n'est pas normal que nous restions dans la salle du conseil, que nous prenions des mesures qui intéressent la vie des retraités sans en discuter avec eux. Cette période, elle est révolue. Il faut respecter les gens. Ce sont les retraités ont consacré toute leur vie à la nation. On leur doit estime, respect et considération pour ce qu'ils ont apporté à la nation. C'est pour ça que nous n'avons pas du tout euh, hésité à les inviter ici, dans ce site symbolique, ce patrimoine national que le King Fat Palace ou le chef de l'État reçoit ses hôtes les plus marquants pour les amener ici, pour leur montrer d'abord tout le respect que nous avons pour eux et discuter avec eux en échangeant et euh, en levant des contradictions, en levant des incompréhensions normales, nécessaires pour arriver à un consensus. Et de ce point de vue-là, je terminé par là, de ce point de vue-là, je me réjouis que le ministre du Travail et des organisations professionnelles, M. Mansourci, ait pris sur son agenda pour annuler tous ses engagements et être présent à cette séance qui a permis véritablement de poser un jalon important vers la mise en œuvre de cette mesure. quand euh, cette mensualisation Cette mesure sera effective dès la fin de l'année. Euh, donc à partir du 1er janvier, la mensualisation sera effective. Euh, mais on peut même considérer les prêts payants par anticipation et le dernier bimestre de l'année étant en octobre 2016, qu'on paye le dernier bimestre, on peut considérer déjà que euh, la mesure commence, n'est-ce pas, à partir du mois de décembre. Alors, à propos des prêts au niveau des banques, est-ce que le remboursement sera allégé Bien entendu, vous savez, l'IPRES, de manière naturelle, est un partenaire important des banques, d'abord par les participations qu'elle détient dans ces établissements, et ensuite par le niveau de ses dépôts, euh, qui euh, fait que l'IPRES est un acteur important plan financier. Nous avons donc convenu avec les banques d'adapter les amortissements au paiement des pensions, équivalent à une pension à, un mois et qui coûte 7 milliards à l'institution, et de faire payer ça sur 30 mois, 30 mois ça fait presque 3 ans, par, je veux dire, les augmentations successives des pensions, en réalité il s'agit plus d'une subvention que d'une avance ou d'un prêt. Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension. Et vous avez vu, vous-même à la salle, les gens applaudir. Vous avez vu quand on leur a expliqué qu'ils ont dit qu'ils ont compris. Je dire. Mais évidemment, vous savez, euh, tout le monde ne peut pas être d'accord. Euh, l'unanimisme n'existe nulle part et que Dieu nous en garde. Parce que je crois qu'il faut savoir que quand on prend une mesure, quelle qu'elle soit, c'est comme euh, quand on passait du trimestre au bimestre, nombreux sont ceux qui doutaient de cela et qui avaient des appréhensions. Aujourd'hui, ils sont là, ils touchent le bimestre euh, et ils ne veulent pas qu'on y touche, alors qu'avant, ils ne voulaient même pas passer du trimestre au bimestre. Donc, c'est normal. Et vous savez que je crois qu'il est important de respecter l'avis de ces retraités. Le Sénégal comporte 14 régions. Les 13 régions ont écrit des résolutions pour appuyer cette mensualisation. Il reste Dakar, où, euh, je veux il y a un plus grand nombre de retraités, où les discussions ont été des discussions franches, mais qui ont permis quand même d'arriver à un consensus. Et c'était ça le but recherché. Parce que nous aurions pu rester dans le, dans le secret de nos, de, nos, de nos salles de conseil, aseptiser et dire vraiment on prend la mesure. Non. Aujourd'hui, c'est une mesure partagée. Et je crois que ce qu'il convient de saluer, c'est plutôt l'innovation qui a consisté à discuter avec les usagers. Et ça, je crois que tout le monde doit le faire. Quand on prend des mesures qui intéressent les usagers, il faut en discuter avec eux. Parce que le pays Sénégal est un pays majeur. C'est un peuple majeur. On est indépendant maintenant depuis plus de 50 ans. Il est important qu'on traite les retraités avec la dignité qui s'y est. Et moi, je ne regrette pas ce que le conseil d'administration a euh, initié aujourd'hui, parce qu'au-delà de ma modeste personne, c'est le conseil d'administration au complet qui est là dans un dialogue direct avec les retraités, avec, comme vous l'avez constaté, le président Maudit comme modérateur. Et je pense que ça a été une bonne démarche, une démarche participative qui participe à une bonne gestion de l'institution en prélude à la conférence sociale qui sera convoquée bientôt et qui permettra de régler beaucoup de questions relatives à la retraite au Sénégal. Euh, Mangi ngi rafetlu à euh, bi nga euh, conseil d'administration qui a def ci teewaayu Mansour ministre du travail et des organisations professionnelles mu doon li nga xam ni moo

te fi nga xam ne itam yéen a ngi fàttaliku daaw amoon na ay yëngu-yëngu buñ koy door ñu ni nag il foog ñu waxtaan ak ñoom pour ñu xam fañ fu ñu bugg dem itam bu ñu waxtaan ñoom itam waxtaan bi itam euh, rafet na parce que ñëwuñu woon rek pour annoncer leen imposer leen mesure bi déedéet dañu ñëwoon pour wax leen lan moo ci seen xalaat. am na ñi nga xam ne ànd nañ ci am na ñi nga xam ne seen xeel tey na ci ku ci nekk la nga laajte rek jox nañ la réponse bi nga xam ni moom la laaj ba mbir mi leer ci sa bopp loolu moo ci amoon solo parce que euh, unanimisme ñëpp d'accord ci lenn la la amul am na ñu gëm yàlla am na ñu gëmul yàlla ku ci nekk am nga sa loo gëm dégg ma fii itam il fallait que ñu expliquer nit ñi fa ñu bugg jëm maa ngi rafetlu la nga xam ne gulet bi IPRES amee ba tey moom la conseil ñaareelu yoon ñëw fii di ko tënk di ko waxtaan ak retraité yi parce que dañuy waxante dëgg nit ku ragal doo woote nit ku ragal da ngay làqatu di def waaye nit ku ñeme la ngay def te yéene bi yàlla mi ñu tiim xam ni sori na ci yow te lii da nga ko yéene ñit ñi loolu da ngay janook askan bi wax ak ñoom te moom lu ñu def tey parce que ñun ñëpp di wax ak yéen ëllëg dañu retraité donc ñii li ñu defal retraité suñu bopp luñ ko defal suñu ay wajur retraité nañ ñu ngi touché ay pension donc itam té ku ci nek am nga respecté sa wajur donc lañu def yéene la bu rëy ci ñun té diñu ñaan suñu borom yalla na yéene bi nga xamni mom luñ ci am retraité yi yalla nañ ko yalla yombalal yalla nañ yalla def ba ñu yegg ci lool nga xamni lool luñu lu yéene retraité yi té di rafetlu itam waxtaan bi nga xamni mo ci am parce que waxtaan deug la itam waxtaan deug la lañu ñu modi itam euh, bi ñu demee ci mensualisation ci tam ñu yok pension yi daaw yok nañu 10 ak ah, ñaan nañu yalla randi itam ñu am luñu def mu accompagner itam euh mensualisation bi ndax mu gëna woyef woyof ma ci nit ñi té yaakaar nañ ci waxtaan bobu luñu nek té bu ci bu ci yalla andé inshallah la nga xam ni moom la IPRES euh, juble ci retraité yi té and ci itam xalaat ak président de la République président Macky Sall bi nga xamni waxon na la ni mel conseil des ministres té mom tamit wax dëgg yalla lepp li nga xamni yëngal nañ ko mi ngi ci ànd ak ñun di ñu ci jappalé dégg ma wax nañ ci waxu fiscalité bi ak yooyu yëpp mu yombalal ñu ko je crois que loolu yëpp bu bu dajaloo incha allah nit ñi ñu yàkkamti dem retraite Sénégal parce que problème bi yëpp fi dem retraite Sénégal ak ndóol benn la moo tax nit ku ñu ni da ngay retraite ren daa feebar fukki yoon ak juróom-ñaar dégg ma ci ci at bi ndax da ngay ragal dem euh, retraite parce que ñi dem retraite ñoom ñoo amee kër yi ba tey ñooy fay électricité ñooy fay ndox mi ñooy fay seen étude doom yi parce léegi liggéey yi dégg ma euh, ñu bari seen ay doom liggéeyul borom retraité yi ñoo amee kër yi ba tey veuve yi itam ñi nga xam ne seen jëkkër nekkatu fi nga xam ne dañu am pension de réversion la sa jëkkër dégg ma bu muy dund amoon déjà bariwul après ñu nar ko dégg ma xaaj def bu amee ñeent jabar ñu xaaj ko dégg ma ci ñeent part xam nga loolu tabaxul kër bon loolu itam gouvernement bi ci wàllu conférence sociale bi ñu jublu ci pension minimale bi nga xam ni Sénégal dootul amati pension bi nga xam ni yenn pension yu faible yi li am solo loolu itam ma bëggoon ko tëjee nit ki itam munoo fayeeku loo cotisé wul parce que Sénégal da ngay cotiser ben at rek ñu commencé la fay pension bo dundoon téeméeri at ne ko fay xam nga ben at la ngay cotiser buñ la ko fayee ñaari at rek jeex waaw loolu itam dafa doon li nga xam ne ay réformes yi nga xam ne nar nañ ko jël ci conférence sociale boobu dina permettre dégg ma euh, pension yi am neneen ni mu demee Sénégal yéen ñëpp ngeen yàkkam ci dem retraite mais itam mu am beneen problème bi nga xam ne jar na wax ñi ci bari ci yéen ñu ngi leen di tirer seen cotisation weer bu nekk waaye est-ce que ñu ngi koy verser IPRES nañ ko seetaat yéen ñii sax di janoog man di wax ak man ñu bari ñu ngi leen di tirer seen salaire mais est-ce que ñu ngi koy verser te pourtant bu ngeen retraité presse daf koy fay donc itam entreprise itam nar nañu itam euh cette obligation presse ñu respecté ko n'est-ce pas parce que ñu bari dañu ñëw seen retraite jot ñu ñëw presse bu njëkk ba dañ naan wax nit ñi ah seen entreprise ñett at la cotiser waye tiiral nañ la fukki at waaye yow ñett at rek mo fi nek ñu ni ñett at rek luñ lay fay waye légui dañ jël dogal déggoo ko ak gouvernement légui ku ci ne bo indé bulletin de salaire bu wan ni dindi nañu lolu sa solde rek IPRES daf lay fay loolu lu am solo la Euh, incha allah 1er euh, janvier 2017 bu ñu ci duggee rek dégg nga mensuration bi dina door ba donc mën na ni fin d'année bii rek ci lay door bu soobee yàlla ak yonent bu ci yàlla